personne ne peut mesurer valablement toute la satisfaction que je ressens devant ce parterre d'individus prêts à me soutenir. Il y a moins d'une semaine, on s'est enfermé dans une salle, la salle de délibération, pour entrevoir la démarche qu'il s'agira de prendre à la veille des élections locales prochaines. L'assistance m'a demandé de sortir des quatre murs, de réunir la population de Malika et de leur déclarer que j'ai eu l'aval de, ce petit quartier qui s'est réuni pour officialiser ma candidature aux prochaines élections locales pour revenir pour la quatrième fois le maire de Malika. Et je l'ai accepté et je le déclare solennellement que je suis candidat de Benno Bokoyakar ici à Malika. Mais il ne s'agit pas de dire je suis candidat de Benno Bokoyakar. Il faut légitimer cette candidature. En guise de légitimation, le président de la République m'a invité en 2016 à le soutenir lors du référendum. Ce jour-là, Seizouaï à Malika, en l'occurrence Papka, Ablaïse, Eibaba et Mamgora Nyan m'ont trouvé dans mon bureau pour me dire « Monsieur le maire, on est tous d'accord pour vous suivre afin que le président de la, République gagne les, référendums. référendum. Premier pas. Un deuxième pas, en 2018, le président m'invite au palais il y avait tellement d'assistance, de monde, qu'il a déclaré solennellement qu'il n'a jamais vu autant de monde au palais. Et il a demandé aux apéristes de suivre le maire Momar Gadiaga à Malika. Tout dernièrement, au présidentiel de 2019, le président a instruit les apéristes de Malika pour leur dire allez rejoindre tous les maires qui sont dans ma mouvance. Et j'étais parmi ces maires-là. Et c'est l'occasion de féliciter tous ceux qui sont venus me rejoindre et qui venaient de la paix. Et pour ces trois raisons, je suis candidat de Benno Bokuyakar à Malik. Bokk dama ni man Malika waruma fee doon tali caterpillar vélo ak tànk laa yemale ku nekk jaar sama kaw jaral ngeen jaral naa leen ko maa ngi leen di sant di wax ni man ni rek force damay nekk candidat dañoo daje wat ba salle de délibération ñu ne monsieur le maire bëgg ñu génn ci chambre yi ñu nekk dem woote benn nga wax ne ñun waa Malika ñoo bëgg nga nekk candidat kon boog tey jii maa ngi leen di yëgal ni ñi ma àndal nee ma nekkal candidat benn Benno Bokk Yaakaar ci Malika li tax ma nangu ko nag moo di loo gis da nga koy yoonal mënu maa jóge ci asamaan si rek man maay candidat Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall moo ma demandé à Malika demandé ñu mais monsieur le maire da nga bëgg dañoo bëgg nga dimbali ñu voté ñu wuy ci référendum bi ñu defal ko ko mu ne ñu merci. bi ci des 2018 mu woote palais waa Malika wuyu si amuñu woon fu mu dugal mu ne musuma gis nit ñu mel nii yéen ñi ànd man ca Malika dem leen topp maire Talla Gadiaga ñetteel bi moo di présidentielle yi passé ñoom ñooma ni parrainel ñu ñi APR la ñu parrainé yëpp suñu benn parrainage moo ko ëpp président gañe fii gañe boo xam premier tour la ma ne la président premier tour la fi gagné ma ne pour trois cinq ci yooyu ci laay sukkandiku le président ma ne que nee na naa nekk candidat Benno Bokk Yaakaar nangu naa ko dinaa ci dox dinaa ci wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum.